yaatu den daal yegg si itam euh, si ki nga xam ne que Modi Ousmane Sonko démb mi doon daal di tàkkale ki nga xam ne que Modi di Tahirou Sarr Tahirou Sarr ne daal di xaar li nga xam ne que Modi di réponse am ni ki ci euh, kanam tuuti incha allah à partir de 15 heures mu daal annoncé exactement conférence de presse am den daal yegg si itam si li nga xam ne que Modi les immeubles ak aussi suufu Sénégal si nga xam ni itam Ousmane Sonko da ko daal di euh, récupérer entre autres de ponk qui font l'objet de nos discussions une euh, émission mission de xam que le le de matinal bouteille exactement alors si sans doute avant ak ki nga que exactement sur la télévision future média ak ki nga xam que après cela avant ñu nous di noté que ni Nous daal ñuy xamal que ni dama daal exactement ay autom autom si plus de 10 ak Bougane et concert exactement ñi ngi daal demander pour nous daal je suis exactement seen ay oto ba jàngat def concrètement. oui euh, donc un euh, <laughs> bu simple là parce que les voitures ont été saisies par les forces de l'ordre donc il faut que ñu càmbar ba pare delloo leen seen oto il n'est pas dit que saisir bu ñu saisir ni oto yi dañ koy dañ koy jël état du Sénégal da koy jël déedéet dafa am liggéey bu ñuy def bu ñu paree ci liggéey bi ñu daal di leen delloo seen oto c'est tellement simple que ça donc il faut que nous ñu en attendant les forces de l'ordre voilà pour des besoins d'enquête nous xaar de nous paraître ci oto dans l'ancien delloo de toute façon la police nationale du jël l'État du Sénégal aussi du jël oto yooyu <laughs> du jël mais bon, gisee ñu saisir ces voitures là c'est pour des besoins d'enquête encore plus approfondis parce que dañu ils ont saisi un matériel un arsenal de matériel nañu saisir ci ces voitures là donc <laughs> il faut que nous ayons le temps il faut que nous ayons le temps Nous, sommes càmbar ba xam lu am lu l'air, leer gens bu ñu paree nous sommes gi ñu nous sommes Nous nous ñu donc je sais que <laughs> la police n'a pas intérêt à à à à garder ces voitures là l'État du Sénégal n'a pas intérêt à garder les voitures de Barthélémy Diaz l'État n'a pas intérêt ban intérêt la du Sénégal di am de garder les voitures de de la coalition sans sàmm sa amul intérêt donc pour des questions d'enquête plus approfondie moo tax ñu jàpp pour mais si nous paraît ci l'union l'union de lu ñuy wut de c'est simple que ça jarul def bruit journal dans tous les pays au monde ça fonctionne comme ça dans tous les pays au monde. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut pas tellement faire du, bruit dans ce pays. Sénégal, il y a des gens qui en font un bruit. Ils disent oui, on a saisi les voiture de Barthélémy Gaz. Mais c'est quoi ça Mais, mais l'État est dans sa mission régalienne. L'État. La police nationale est dans sa mission régalienne. Donc, a une mission régalienne, bu paré mu delloo leen oto yi man je l'ai toujours dit ici gis na ñom lu def ministre de l'intérieur a tardé dans sa réaction gis vous bu commencé won fuy camp caravane depuis campagne bi bu mu doré yalla xam na ne du dem ci une telle barbarie parce que ce n'est plus de la campagne mais c'est devenu une barbarie di attaquer ay convois di agresser ay nit di fekk ay bitu ay boutique di dajji boutique jambour de len fekk ci sont seen boutique des di jël ñom lu ñu soxla lolu du campagne lolu c'est du banditisme la banditisme bu mel non bu amé état day l'état doit rester fort dans sa mission régalienne moi mu saisir ces voitures là donc les gens qui disent que oui de leen c'est auto def leen il faut arrêter ce que vous dites état ken du ko tek pression. L'État doit rester fort. C'est ça la réalité. Fille coow lee fi ne ku comment ku sa place est-ce qu'il a sa place il y a il y a trop il y a trop de bavardage non non il y a il y a il y a il y a xam xamoo Fallou xama dëgg bi Fallou il y a trop de bavardage dans ce pays il y a trop de bavardage dans ce pays les gens bavardent comme ils veulent pour ne dire rien du tout. Il y a trop de bavardage. On a, on a tendance à laisser l'importance pour se lancer dans des questions de bavardage. di ni ni ces ces arts d'être humain qui sont aujourd'hui dans ce pays du bavardage on s'entarde sur du bavardage nous les sénégalais Warna nañu Sophie fi état benn acte bu ndaw bu mu état posé rek nga gis des brebis galas, de la désinformation il n'y a pas de si mais si on est dans la scène justement il n'y a pas il n'y a pas de si mais avant euh, saisir, dafa am loo xam ne itam dafay manam, je suis d'accord il a dit saisir ay voitures Barthélémy Diaz Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany et parce que ñoom japp neen seen cortège la agression bi amé alors ah, d'après ki nga xamné que mu di Barthélémy Diaz ils ont euh, ils ont tout foué mais ils ont trouvé mais ils ont trouvé des lance-pierres euh, te itam lolu japp na ni euh, c'est c'est c'est yow c'est normal ben garde du corps am ko manam mm, mm. aussi néna na jënd na aussi li nga xamné que moo ay truc comme ay euh, appareil électrique et tant d'autres et tant d'autres loolu itam sécurité mu lay sàmm concrètement enfin naka ko daal di dama né Barthélemy Diaz n'a qu'à laisser, laisser songer et dire la vérité. Il faut dire la vérité. Hamayo qui émission. Dinan Diou da Je l'ai toujours dit. émission. da Da Dieu n'a qu'à dire la vérité. Alors que yo Barthélémy Diaz, toi aussi tu dois dire la vérité aux gens. Ah oui, bien sûr. Il n'a pas dit la vérité. Mais Barthélemy Diaz, comment, comment, comment, comment. Il s'agit de quelle vérité Barthélemy Diaz, y compris quiconque, doivent dire la vérité aux Sénégalais. Ça dit que qu'on a vu un jeu dans lui. Yom pour ils sont les plus propres. Barthélemy Diaz, mom, des juges comme s'il il n'a même pas d'erreur. Il est blanc comme du neige. Alors que c'est ça, c'est pas ça. Mais Barthélémy Diaz n'est pas blanc comme du neige. Dieu veut vouloir entacher les autres d'erreur di jéem a ne yow yow Barthélemy Dias tu propre yow tu es clean yow tu n'as pas tu n'as tu n'as même pas d'erreur yow Barthélemy Dias tu la vérité au Sénégalais c'est archi faux ils sont tous des politiciens c'est des manipulateurs c'est des manipulateurs ñoom ñëpp c'est des politiciens manipulateurs maintenant yow boo accepté ni ko yow ci yow da nga nekk ci kuje da nga accepté ni ko yow yaa ngi ci kuje di politique. Il ne yow Barthélemy yow a des ñeneen qui ñeneen ñi dañuy fen dañuy manipuler dans quoi c'est ça la question que je pose à Barthélemy il est dans quoi il est aussi dans la manipulation mais quand on fouille les voitures le convoi de Barthélemy on voit cet arsenal que vous avez dit que, vous avez vu hier beaucoup de matériel quantité de matériel il faut dire la vérité au Sénégalais li que matériel yooyu ci sa convoi lañ ko jëlee faut dire la vérité c'est Fallou xam à nit ñi nañu waxante dëgg te tax tamit parce que moi moi na démb mu naan de mooy de dëgg muy mujj kay il a raison Deug moy de deug moy muju. mais quand il est politicien nga nek ci kuje il faut dire la vérité aussi ni que matériel bi tu ci sama auto lañ ko mais il faut le dire la police tu crois que la police va mentir au nom de quoi mais ce qu'ils veulent faire croire aux Sénégalais, c'est que c'est la police qui a menti. trouvez nous trouvez nous bagage bobu ci ay auto sam à cadeau. Alors que c'est faux. Mais mais, la BIP, la BIP, la a trouvé ces matériels-là qui, qui, qui, qui coalition Sam Mais mais pourquoi ils ont D'après les explications de Barthélémy Diaz, à part sphère.

parce que les policiers police matériels. matériel diffusion de fausses nouvelles tout le matériel tout le matériel que la police a présenté c'est non tout le matériel qu'on a vu à travers les images police saisir quoi ci une coalition yàquñu fa dara tu crois que la police ban intérêt la am di le matériel de y a ci matériel waa sàmm sa police ban intérêt la am il faut dire la vérité quelle quelle qu'elle soit blessante qu'elle soit blessante il faut dire quand même la vérité man fofu loolu lay ñaan Barthélemy mu wax ko mais Barthélemy Diaz yow nous tok ci plateau nga ne ñeneen ñi dañuy alors que yow aussi tu dis pas la vérité qui le matériel là qu'on a saisi dans ton dans ta dans tes voitures il faut dire la vérité quand même. c'est ça le Sénégal bon fait yow da nga que euh, c'est là où j'ai dit quand il a dit que ñom voulu gagner assemblée nationale ils vont criminaliser le mensonge même lu mu def demb c'est quoi. Ah, euh, oui mais fii laa yëpp moom lu mu def démb c'est quoi. Ah, voilà voilà c'est ça c'est ça la réalité. c'est ça la réalité. Euh, mi noonu par rapport ak euh, li nga xam ne que moo di euh, Barthélémy Diaz encore une fois ñoom seen ay oto dañ koo daal di saisir ñi ngi daal di sakku si li nga xam ne que moo di yoon ak wàllu yoonal ñu daal di gaaw delluwaat leen exactement seen ay woto ndaxte jàpp na ni itam a ba daal di fuyee ba pare. Euh, gisuñu fa dara au delà ay lance ak ay appareil électrique lépp loo xam ni itam nekkaat na fa euh, da nga fa daal di yokk exactement alors euh, mu nekk lu am solo xam ni itam daal di war a mën a baaxee daal di daal di itam mm, si leneen du côté de la régie et alors